C'est la deuxième euh, phase. La première, on l'avait organisée au niveau du terminal, euh, au niveau de, de l'aérogare. Cette année, on l'a amené au niveau du terminal H, et on est accompagné par, euh, on, l'a fait cette journée en partenariat avec les, les autres amicales de la plateforme en l'occurrence l'amicale des femmes de l'AS, AFLAS, et l'amicale des femmes de AIBD, AFA. Et là, on a vu, c'est de l'année dernière, on a fait carrément un dépistage de toutes les femmes de la plateforme et des villages environnants tels que le village de Dias et euh, le village de, de, Cette année, on, est, on a axé euh, le thème sur euh, la sensibilisation avec Didiapo, accompagné par la LISCA, euh, docteur Fatma Guénoun, et notre docteur qui est sur la plateforme, docteur Aïcha. Ça ne peut que nous réjouir. C'est une nouvelle qu'on accueille. Ça a été une demande de la, du docteur euh, Fatma Guénoun de la Liska. Et euh, on est réjouis de ça. On va essayer d'accompagner le directeur général sur la faisabilité, parce qu'à chaque fois, on l'entend euh, sur, tous les débats qu'il fallait des crèches au niveau des entreprises, surtout nous, Dias, où on est très loin de la capitale et pratiquement nous venons toutes de la capitale. Donc nous faisons presque 50 km euh, à l'aller et 50 au retour. Donc si on a nos bébés à côté de nous, à, l'heure de la pause, on pourra bien sûr les allaiter. D'autant plus que quand on est à Aïdibé, c'est-à-dire à, l'aéroport de Bléziagne, on ne peut pas faire d'horaire allaitement parce que c'est très éloigné. Donc même si on est en, période d'allaitement, on est obligé de venir à 8h et de descendre à 17h30. L'initiative, international Blaise Diagne de dafa lëkkaloo ak askan pour song li nga xamné moy jangro bi ñu tuddee cancer té ku nekk xam ne loraange gi dafa weesu dayoo te borom xam-xam yi seede nañu né bu ñu défé dépistage bu tel manam ñu tel ko ràññee amna ay solution pour ñu fajj ko ci xam ngeen ni fan yi passé njiitu réew mi le président Macky Sall jël na dogal ci gratuité chimiothérapie muy loo xam ne bu ko ci dollee day jàppale suñu jàmbaar yi nga xam ne ñooy suñu ay jigéen ndax bu ñu waxee kër jigéen tax ñu wax kër bu ñu waxee yar éducation jigéen bi kon bu ñu waxee société bu ñu waxee état yéen jigéen bi gàcce nga la kon ku len jappale ku len jappale sen wér-gu-yaram mu ngi jappale njobot mu ngi jappale rew yi kon ñu len di encourager di leen ñaax ngeen degg bu baax a baax borom xam-xam li ñu wax pour ngeen aar sen santé sen wér-gu-yaram ci jàngoro gi nga xam ni tud nañ fi may daaneel rek moy ministère bi nga xam ne mooy saytu walu tourisme ak transport aérien te njiitu rew mi dénk ma ko ñu lay wax madame la présidente de l'ISCA ñu ngi seen wet madame les présidentes des amicales ñu ngi seen wet pour jàppale leen ci lépp lu ngeen di yëngatu rek na service yi yéeg comme ça ñu ànd koy yéen dooleel leen